du studio Kalango, bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour notre émission Le Niger sur Kalango. Au micro, je suis Samira Wafi et à mes côtés, Rukayetu Abdurrahman. La technique est assurée par Mustafa Ayouba et l'édition par Adam Adawaki. Bonjour Ruki, comment tu vas Très bien ma belle et toi Ça va, alhamdulillah. Alors, qu'allons-nous servir à nos auditeurs durant les 60 prochaines minutes D'abord, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs en information pour commencer et aussi de la bonne musique nigérienne. S'en suivra ensuite euh, de nos rubriques quotidiennes. Comme nous sommes mardi, dans la rubrique hebdomadaire, nous parlerons santé, notamment la fréquentation des CSI par les femmes à Arlit pour les consultations prénatales. Mais avant Mira, nous aurons l'entretien du jour avec la professeure, écrivaine et coordinatrice de la filière art et culture de l'Université Moumouni de Niamey. Il s'agit de Madame Antoinette Tidjani Alou. Avec elle, nous allons aborder la question pourquoi les femmes sont moins présentes dans le domaine de l'art au Niger. Ce n'est pas fini. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, un reportage en région, la chronique Loti avec les femmes du studio Kelangu, de la culture linguistique en Hausa, pour finir avec les messages de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est présenté par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, comment tu vas Très bien. Alors, pour euh, ce flash d'information d'aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kassoum Maman Mokhtar, a donné le coup d'envoi des épreuves pratiques de l'examen du certificat de qualification professionnelle. C'était hier au centre de formation au métier de la commune 5 de Niamey. Plus de 10 400 candidats sont répartis dans environ 260 centres sur toute l'étendue du territoire national. Après le lancement, aucun problème n'a été signalé selon les responsables qui estiment comment les années précédentes comme les années précédentes, les épreuves se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Ensuite, nous avons une mission du ministère de l'Intérieur et celui de l'action humanitaire accompagnée par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix qui s'est rendue ce week-end à Ayuru et Dessa pour accueillir environ 20 000 déplacés de la région de Tilaberi. À l'issue de la rencontre de ces autorités avec les populations déplacées, elles ont annoncé que ces personnes pourront retourner volontairement dans leurs villages respectifs à partir du 15 mai, c'est-à-dire hier. En amont, un dispositif sécuritaire sera mis en place et chaque ménage bénéficiera d'un kit alimentaire et non alimentaire, a annoncé la mission. Et pour terminer ce flash, un communiqué du ministère des Affaires étrangères annonce que le gouvernement du Niger se joint à d'autres partenaires internationaux pour promouvoir la résolution de la crise au Soudan avec les combats entre les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide. Dans cette dynamique, l'État du Niger exhorte les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à mettre immédiatement fin à la violence sans condition préalable ni délai, à protéger les civils, assurer un accès humanitaire sans entrave et reprendre les négociations en vue d'un accord politique final pour la paix et la stabilité au Soudan. Merci beaucoup Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, l'invité de ce matin que nous recevons en entretien, c'est le professeur Antoinette Tidjani Alou, coordinatrice de la filière art et culture de l'université Momoni de Niamey. Avec elle, nous allons évoquer la place des femmes dans le domaine artistique au Niger. Mais avant Mira, nous allons d'abord écouter le son de l'artiste Aziz Tony intitulé Zambouka. hausawa ci suke zabarmawa ci suke fulani ci suke da buzaye ci suke sai su yi katon ciki kamar rumbun albasa mushe zambuka he zambuka zambuka he taka mini zambuka he zambuka zambuka he wake mini zambuka he zambuka zambuka he larbawa ci suke da kurmawa ci suke tubawa ma ci suke bare bari ma ci suke sai su yi katon ciki kamar rumbun albasa ishe zambuka he zambuka zambuka he taka mini zambuka he zambuka zambuka he wake mini zambuka he zambuka zambuka he da kaga buzuci ba ai kaga rakumi da kaga rakumi kai tsab mutumin kirki sai dai wanki ya kama ana ruwan sama bai bar rakumi ba bai bar akuya ba fullo kyau gare su ba ma ko tantama sai dai halin shi akwai dan gardama sai dirfin ciki da dan neman yaudara bahaushe hausa ga ladabi da biyayya ko da tajima da sai ya baka take ci ya dan gambara dan zabar mazarma ga kyauta ga kirki dan zabar mazarma barshi da iban bata hausawa ci suke zabar mawa ci suke fulani ci suke da buzaye ci suke sai su yi katon ci talakawa ma suke bare bari ma suke sai su yi katon ciki kamar rumbun albasa ishe zambuka he zambuka zambuka he taka mini zambuka he zambuka zambuka he wake mini zambuka he zambuka zambuka he c'est la musique de la parenté à plaisanterie tapashi na ka ko daure kai hankuri je change de style quand je veux j'ai pas de limite quand je veux ici je reste bagurme komi ci yake e ya dora burkutu batube asili gare shi kuma kishi ne gare shi idan ka bata mashi rai zai maka free palu larbawa tabbat maga da annabawa bar su da zafin dan kuturu bare bari kishi kamar da kwasara babarbara girki lalaba akwai wuka idan ka kuskura kamar ta kishiya ban ce komi ba hausawa ci suke zabarmawa ci suke fulani ci suke da buzaye ci suke sai su yi katon ciki kamar rumbun albasa nishe zambuka he zambuka zambuka he pakamini. ka nufawa ci suke tubawa ma ci suke bare bari ma ci suke sai su yi katon ciki kamar rumbun albasa je sambuka he sambuka sambuka he taka mini zambuka he sambuka sambuka he wake mini zambuka he sambuka sambuka he samari injin dai kun iya rawa zambuka sambuka he zambuka sambuka he en mata wai kun iya rawa ta zambuka sambuka he zambuka sambuka he inde ka iya taka to magani L'artiste, auteur, compositeur, interprète Aziz Tony a quitté son groupe de rap Mamaki Boys créé depuis 2002 avec trois albums à leur actif. Bien avant le décès de Bacho, un des membres du groupe, il entame une carrière solo et l'officialise après sa disparition. À son actif, un album solo de dix titres mais pas officialisé et plusieurs vidéos. Son style de rap est un cocktail à cheval entre le tradi et le moderne toute son inspiration épuisée du terroir et un côté RB. Il chante la valorisation de la culture nigérienne avec des thèmes comme la paix, la justice sociale, la jeunesse, les fléaux et le quotidien que vit tout un chacun. Il chante en Hausa, Zarma et en français. Chers amis, auditeurs et auditrices euh, du studio Kalangu, c'était le titre Zambouka de l'artiste Azistoni que vous venez d'écouter. J'espère que vous l'avez aimé. Retour au studio à présent, c'est l'heure de notre entretien du jour avec euh, professeur Antoinette Tidjani Alou sur la présence de la femme sur la place publique, précisément dans le domaine de l'art. Madame Antoinette, quelle est la raison selon vous pour laquelle y a-t-il moins de femmes dans le domaine de l'art ici au Niger Elles sont peu présentes et souvent on a l'impression qu'elles soit elles sont là et elles ont tendance à disparaître après un tout petit temps. Là, vous êtes en train de poser deux problématiques qui se croisent. La première problématique, c'est peut-être la présence des femmes dans l'espace public au Niger. Pourquoi les femmes sont-elles moins présentes dans l'espace public, que ce soit professionnellement, dans le monde politique, dans des postes de responsabilité, dans le leadership religieux, quelle que soit la religion, l'islam, le christianisme euh, ou d'autres religions, révélées ou non révélées Pourquoi les femmes sont moins présentes dans l'espace pourquoi elles sont vraiment simplement présentes dans l'espace privé du foyer et dans les espaces de la socialisation. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'état du champ artistique au Niger. Est-ce que les femmes sont représentées en nombre Pour moi, déjà, euh, l'état du champ artistique va aussi déterminer l'état des acteurs du champ artistique. Et à l'intérieur du champ artistique, comment se pose la question genre est-ce qu'il y a, quel que soit le champ, quel que soit son état de développement euh, plus ou moins grand, plus ou moins relative, est-ce que les femmes occupent la place qui devait être la leur démographiquement parlant. Donc vous voyez que vous posez des questions très très compliquées et qui se croisent. Moi, je pourrais essayer de donner une réponse simple à votre question publique. Ma réponse simple, c'est que la place des femmes dans l'art est vraiment en rapport avec la place des femmes dans l'espace public en général. Elles sont moins présentes, elles sont même de moins en moins présentes. Traditionnellement, les femmes étaient beaucoup plus présentes dans l'espace public. Il y a 100 ans, la femme nigérienne avait peut-être plus de poids dans l'espace public. Il y a des femmes qui ont émergé, hein, politiquement, des ambassadeurs, des ministres de gouvernement, euh, des professeurs d'université, etc. Les femmes ont émergé, mais pas dans une un nombre important. Autrefois, je pense qu'il y avait des organisations sociales qui permettaient aux femmes d'être plus présentes publiquement. Si une femme était la Saraounia des Yambori, par exemple, elle avait vraiment un rôle public. Si elle était, je ne sais pas moi, euh, le Jekadia euh, d'un sultanat, elle avait euh, un rôle public. Si elle était la, la, sœur ou la, mère du, sultan, elle avait un poste à l'intérieur du sultanat ou de la chefferie. Elle avait souvent d'ailleurs des postes de responsabilité dans les religions traditionnelles comme le Bori, etc. Au fur et à mesure que tout cela s'en va, le pouvoir et la présence physique des femmes s'en va. Elles ont de nouveaux champs qui vont sortir, politiques, artistiques, etc. Mais puisque elles ne sont pas valorisées ou scolarisées à un très haut niveau, déjà, elles sont donc moins présentes euh, professionnellement. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, ça va être que le champ artistique, ce n'est pas un champ qui est valorisé dans notre pays. On va stigmatiser le champ artistique, on va stigmatiser les artistes, et maintenant, on, on, va dire aussi que les femmes doivent rester chez elles. Parce que c'est ça la grande problématique. Hein. La femme doit rester chez elle. Madame Antoinette, c'est donc euh, pareil pour toutes les couches sociales féminines et tous les domaines aussi Pour celles minoritaires, mais de plus en plus nombreuses quand même. On est quand même en minorité, mais ce nombre, cette minorité baisse. De plus en plus, les femmes vont accéder à l'enseignement supérieur, mais à partir des grands diplômes, elle va être moins en moins présente. Mais elle sera quand même un peu présente. Moi, dans mon métier, on est très très rare, les femmes dans l'enseignement supérieur. Et donc, vous allez voir que déjà, dans un métier qui est établi, bien vu, mais relativement prestigieux, il n'y a pas beaucoup de femmes. Imagine maintenant dans un métier qui est un métier en pleine émergence, mais qui a ses problèmes de préjugés, et où les femmes qui se mettent dedans se mettent à risque parce que c'est des nouveautés et aussi c'est d'autres manières de, pratiquer un métier. Euh, dans le cas des cinéastes ou des artistes, les photographes, je ne sais pas, les écrivains, il faut voyager, il faut sortir la nuit, etc. Vous comprenez que déjà, pour les hommes, on va considérer que ces gens-là perdent leur temps. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les métiers de l'art ne sont pas valorisés ou euh, paraît sans avenir, surtout pour les femmes on le considère de moins en moins hein, parce qu'on voit que ces gens-là les artistes, ils sont diplômés, ils viennent à l'université, ils ont une licence, ils ont un master, ils ont un doctorat, grâce à ce que l'université fait pour promouvoir euh, la formation artistique et culturelle. Ces idées-là sur l'artiste va-nu-pied qui ne gagne pas sa vie, sont en train de partir. Et nous avons des femmes aussi dans la filière culture ici à l'université. Mais en général, euh, quand on a, il y a des années où on a 50% d'hommes et de femmes. Mais de manière générale, on va avoir 30% de femmes. Donc déjà, si les femmes artistes qui se forment vont être moins nombreuses, il y a un problème. Après, il y a le mariage et toutes ces idées sur, euh, comme j'ai dit au départ, là où la femme doit être. Elle doit être on, veut bien qu'elle sorte, mais pour aller dans des baptêmes, pour organiser des baptêmes, pour décider des, recettes des baptêmes, là, elles sont en puissance. Hein, elles sont en puissance et les hommes sont en train de perdre la puissance en ce qui concerne l'organisation des cérémonies de vie, etc. Euh, dès qu'on donne un peu de place aux femmes, elles prennent euh, de la place parce qu'elles veulent paraître et vivre publiquement aussi. Elles veulent avoir de la responsabilité, elles veulent avoir une parole. Avant la suite de cet entretien, fidèles auditeurs, faisons une petite pause musicale et retrouvons l'artiste Moussa Toukou avec son morceau que j'adore personnellement intitulé Fatoma. Mm-hmm. so fatuma Nia, fatuma dara fatuma anna fatuma dawa musicien, chanteur, compositeur et interprète Moussa Toukou est né en 1967 à Niamey. Moussa s'est retrouvé dans ce domaine musical de manière vraiment hasardeuse. Il fredonnait euh, des chansons dès son bas âge et par la suite, il a partagé une même chambre avec un ami du nom de Momon Ganda qui possédait à cette époque une guitare et c'est parti de là. Quatre fois primé au prix d'Angourmou concours de musique moderne nigérienne, Moussa, à travers ses chansons, sensibilise. C'est d'ailleurs la base de ses productions. L'amour et les femmes restent les morceaux les plus célèbres de l'artiste. studio pour la suite de notre entretien avec professeur Antoinette Tidjani Alou. La seconde partie de notre entretien, Madame Antoinette Tijani Alou, tout à l'heure vous avez dit que les femmes ont tendance à bien occuper les places qu'on leur donnait. Est-ce que c'est pareil dans le monde artistique C'est compliqué. C'est compliqué pour le monde, euh, pour le monde artistique parce que déjà la formation euh, doit aussi euh, être plus euh, actifs en recrutant des femmes, mais aussi parce que les femmes doivent euh, prendre des risques plus encore que les hommes artistes pour émerger et pour euh, s'imposer, pour être reconnu, pour être reçu. Et il faut aussi que dans le foyer, qu'il y ait non pas de la compétition, mais de la compréhension. Madame Antoinette, et c'est peu de femmes qui arrivent à se faire une place euh, dans les métiers de l'art. Comment y arrivent-elles alors euh, vous verrez que les femmes qui arrivent à émerger artistiquement, soit elles sont divorcées, soit elles sont mariées à des hommes artistes qui comprennent le métier et qui les soutiennent, soit alors elles ne sont pas encore mariées et donc elles ont de plus grandes marges de manœuvre n'ayant à gérer que la famille. Donc euh, voilà pour moi quelques réflexions comme ça euh, à main levée euh, sur les problématiques qui se posent. Avant de finir, Madame Antoinette, quel regard portez-vous sur les femmes qui sont dans les métiers de l'art actuellement au Niger Comment les trouvez-vous Moi, je voudrais finir sur un point positif en disant quand même qu'il euh, émerge de très belles personnalités artistiques dans ce pays-là, qu'il y a des femmes comédiennes, écrivaines, danseuse, cinéastes établie. Je ne parle pas seulement de Aishamaki ou de Amatou Keita, mais les jeunes générations, il y a des pointures qui émergent et qui, je pense, ne vont plus du tout se laisser faire de la même manière et qui ont derrière elles les acquis des aînés qui ont pu accéder à une certaine reconnaissance internationale. Et je pense aussi, il y a celles qui sont en formation et qui quittent l'université avec des diplômes de qualité dans la poche, qui ont fait de la mobilité, qui ont vu que finalement, si elles le veulent, le ciel peut être leur limite, c'est à elles de décider, et qui arrivent aussi à choisir des conjoints qui les a trouvés dans ces formations-là et qui comprennent que pour elles, c'est important. Pour moi, je suis toujours euh, contente quand euh, mes étudiants artistes se marient avec des gens qui comprennent parce que euh, même sans être artiste, j'ai des étudiants dans la, le design et la mode, comme Tatou par exemple, qui arrivent à faire de très très très belles choses parce qu'elle a un mari admirable qui la comprend et qui l'accompagne. Vous voulez dire que l'accompagnement des proches est donc essentiel pour la survie de ces femmes dans ces métiers-là je trouve que l'accompagnement de la famille, l'accompagnement de la personne qui est là, des amis euh, de première ligne, c'est vraiment important pour l'épanouissement de n'importe quel artiste, mais encore plus, je pense, pour l'épanouissement des artistes femmes. Et je suis heureuse de voir que les familles commencent à accompagner, à encourager les filles, euh, les jeunes femmes à s'inscrire dans les filières artistiques et à suivre leur cœur. Ça a beaucoup changé en 10 ans. Avant, les filles se cachaient pour s'inscrire ici. Maintenant, c'est la famille parfois qui dit, mais ah, j'ai vu passer une annonce, mais ça te ressemble. Est-ce que tu allais t'inscrire Donc je me dis, la société bouge aussi et je suis pour ma part euh, pleine d'espoir et aussi pleine d'admiration pour les talents divers que je vois émerger dans les différentes disciplines artistiques ici au Niger, déjà à Niamey et certainement en région aussi. Je me dis qu'il y a des nouvelles étoiles qui euh, vont briller très fort dans notre firmament. c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire santé. Aujourd'hui, direction Arlit pour parler de la fréquentation des femmes au centre de santé CSI Carré, notamment pour les consultations prénatales. Environ 200 femmes sont consultées par mois, selon la responsable du CSI, Madame Amina Amadou. Cependant, certaines, après leur premier passage, ne poursuivent plus les consultations jusqu'au terme de leur grossesse. Qu'est-ce qui explique cette situation et quelles sont les mesures prises pour les ramener Réponse avec Madame Amina Amadou, interrogée par Maman Gungu Dantani. Madame, kuke shugabar CSC kare ta nan Arlit shin yaya halartar mata masu juna biyu ta kasance a CSC ɗinku kuma kamar mata nawa kuke samu a wata? Awo lokaci gare shi. Wani wata muna samun biyu, 200, da tamanin a wata. Wani bi hiye da haka nan. Ayyuka muna gudanar da su ne da sahe karfe takwas daga landi zuwa juma'a. Daga karhe takwas muna fara awo. har zuwa sabka aiki kenan landi ovandredi duka muna aiki na awo matan da ke zuwa awo shin ko suna gane galgadin da kuke musu wasu suna ganewa wasu ba su ganewa tunda wasu suna aiki da abin da mata na gari suke gaya musu a lorke abin da likita ya gaya maka shine ya kamata ka yi aiki da shi tunda wanda shi bai karance shi ba bai iya gane abubuwan da ke ciki me da yawa suna gane galgadin da muke musu da amanin awo an mace ta zo awo dami dami ake bukata ta yi yanzu in ka zo awo akwai ɗaukar jini da ake ba mata ya kamata mace ta yi shi saboda ta san cikin halin da take ciki da halin da ɗan da yake ciki tunda akwai wasu ɗaukar jini gaskiya in ba ta yi shi ba awon ta bai zo daidai ba kenan muna ba su shi mu ce kahin su sake dawowa awo na biyu ya kamata su yi ɗaukar jinin nan abinda muke samu wasu in suka zo awo na biyu ba su yi ɗaukar jini ba sai mu ce to su yi haƙuri sai sun ta sun yi ɗaukar jini sai su zo a ci gaba da musu awo tun wane lokaci mace mai juna biyu ya kamata ta so mu zuwa awo awo mace in tana da juna biyu ya kamata tun wata uku ya kamata ta zo awo kar ta ce a'a sai na zamna sai ciki ya fito a'a ana so mace in ta samu ciki ta fara zuwa awon farin wata uku saboda akwai dokan jini da ake bata ana dibawa shi wannan dokan jini saboda ɗan da kake tare da shi shi ne dan a yi mishi rigakafi akwai ciwo na sanyi in baka yi ɗaukan jini ba ba a yi wa a sani kana da shi shi kuma in ka same shi ba a yi maganin shi ba kana iya aihuwa lokacin aihuwa ka bata yi ba kana iya yin bari kana iya aiho yaro dan kararrami kenan yayi tamowa tun a cikin ciki akwai eko da ake badawa dan a diba mace ya kwancin ɗanta yake ya bakin ta yake baka zo tun wata uku aka diba wannan ba kenan ka gani bai yi ba ko akwai wasu magunguna da kuke baiwa matan masu juna biyu akwai magunguna da ake ba mata akwai na masassarar cizon sauro in ɗaya ya fara motsi ana tambayar ta akwai na tsutsar ciki akwai sange da ake ba su shi ma na riga kai da saboda sauro kai ya ciji su ba mu so matan mu masu ciki sauro yana cizon su miki haɗarin da ke samun mace mai juna biyu idan ta kamu da masasar cizon sauro cutar masassarar cizon sauro kowa ya san yadda take ga wanda bai da ciki ma balantana mai ciki shi ma yana sa ka ayi hida lokacin shi bai yi ba ka yi bari kai da kanka ya rage maka jini har ya kai ga rasa rayuwa. An mace ta zo awo yaya wa'anin zuwar awon nata yake kuma so nawa ya kamata ta zo ta yi awon har zuwa aifuwarta. In ka zo likitoci suna kwatanta maka ka zo wata uku a baka wata uku ka zo wata shida a ƙara maka wata biyu ka zo awo wata takwas a ƙara maka wata guda ka zo wata tara a baka sati biyu mace dai in son samu ne ta samu awo biyar hudu zuwa biyar kahinta ta ayo shine yadda ya kamata a cikin harka na awo ya kamata ta yi respecte ta yi su a rika bin evolution kin cikinta har ta kai ga aihuwa akwai matan da ke so mu zuwa awo kuma su daina ko me yasa haka eh ana samu akwai wasu sai su ce ba su ma zuwa awo don saboda makwabta ka su gan su likita ko don ka a san suna da ciki shi kuma da zaka yi don saboda lahiyar kace da lahiyar ka ai ba don saboda mutane zaka yi ba suna yin haka na wani bi bisi aihuwa gida aihuwa gida kuma kowa ya san lahani gare ta game da aihuwa a gida ko akwai matakan da aka ɗauka mai gari da kanshi ya dora doka duk wanda ya yarda matar shi ta aihu gida sai ya biya diya diya aka dora a kasansa aihuwa gida ba san ta ba muke nan saboda matsaloli gare ta da yawa shi kuma rishin zowa awo da wayar da kai da ake yi ga awo in baka zo ba duk wannan abubuwa ne wanda baka da labarin su matsalolin da muke samu da wanda basu zo ga awo ba shine abubuwan nan duka da basu samu ba he an zo awo an zuba da jini kai baka yi dokan jini ba can balle a san jinin ka wani iri ne sai lokacin da matsala ta samu za a rika yin gudu a je a ce a doki jinin ka ba a san wani iri ne ba sai an auna an gani wani iri ne sannan a nemi nemi mutane wanda suke da irin naka a lokacin da a ce ka zo komi ka bi ka'ida na likita an san jinin ka deja wani iri ne da yake za a kara maka jini ma deja an san jinin ka ne in akwai a stock kawai doka ne za a yi kahin dangin ka su zo su bada amma ba a san jinin ka wani iri bane lokacin nan za a kai ana kawowa sai an yi auna jinin ka a san jinin ka wani iri ne a nemi mutanen ka wannan kaga duk bata lokaci ne a lokacin in kai kayan ka komi daidai yake tahiya mu rishin zowa a wannan dokan jini mata da suke yi su sake su rika zowa a wutun wata uku akwai amfani kwarai gare shi tunda abin da kake tare da shi kai baka san abin da kake tare da shi ba amma in ka zo likita ai ana yin bincike kuma in aka yi bincike sai an yi bincike za a san abin da ke cikin cikin ka cikin wani hali yake kai da kanka baka san cikin halin da kake in ba ka zo likita bane mun yi bincike mu ma he mun yi bincike dokan jini eko da sauransu kamannin su za mu iya ganiya ko duba da ake yi ma mata kenan baka zo likita ba ba a maka dokan jini ba sajifan ba ta yi binciken ta ba kenan kai da kanka ya zaka yi kasancin yadda kake kenan sai in ka zo likita ana yi ana kwatanta maka in ka zo lokaci lokaci ana yi ana Prenons une pause musicale avec Batuberi, c'est le nom de l'artiste qui chante Amino avec son groupe Djaouboura. C'est depuis 2005 que Fatih Saka connue sous le sobriquet de Batuberi a commencé ce métier. Aujourd'hui, la quarantaine revolue, elle chante et danse avec la même énergie, la même détermination de donner le meilleur d'elle-même sur scène afin de faire partager à ses fans sa voix et ses pas de danse inspirés de Biti Harei, la danse populaire du Zarmaganda. On l'écoute. l'écho des régions. Et direction euh, d'IFA pour parler de mode à milieu euh, scolaire. Tout à fait, Mira, les élèves du CS Maïmoussa Kimé de Goudmaria ont organisé à l'occasion de la fête de la femme nigérienne un concours de mode traditionnel. Le meilleur euh, habillement et tresse traditionnel euh, des différentes ethnies vivantes euh, dans le département. Les détails dans ce reportage de Mado Mahamadou. albarkacin sallan mata na ƙasa na sha uku ga watan mai ɗaliban makarantar lise da kwaleji na gunduma gudumariya suka shirya wata gasa gasa ita ce na nuna al'adun gargajiya wato tufafi da kitso wannan gasan ya samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya har da ma shugabannin ma'aikatu da dama da jami'an tsaro da jama'an gari da kuma ɗaliban da kansu malama na na aishatu umaru. ɗaliba ce wadda take matakin ƙarshe na lise wanda take daga cikin wanda suka shirya wannan gasa ga abin da take cewa. Don a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'ummarmu kuma mu haɗa kanmu zamna wuri guda babu wani bambancin kabila babu wani tashin hankali. A gaskiya na ji daɗi sosai saboda yadda mutane suka taru hakan ga a wannan wurin kuma ga mu nan duka mun hito don dai mu nuna murnar mu dai ga baki ɗaya kowa da kowa suna jin daɗi gaskiya alhamdulillah abun farin ciki ne a gare mu gashi nan tuni iri-iri duk mun haɗa kanmu gashi nan dai hamma an hudda trois premier an ba su a gaskiya alhamdulillah an nuna shiga iri-iri ta gargajiya na harsuna guda shidda fulani tubawa mangawa zabarmawa hausawa da kuma larabawa inda buzaye su suka zo na farko a wannan gasan malam abdullahi hassan wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka ci wannan gasan ga abin da yake ce mana wannan wasannin da aka yi na yare mun ji daɗi sosai mun ji daɗi sosai a cikin ramu a cikin al'adu guda shida aka huddo mu na fari wannan cikin shida nan gaskiya mun ji daɗi sosai ya wuce daɗi tunatarwa ga jama'a duk wanda ya bar al'adan shi ya yi aikin banza saboda wani lokaci zai ji ciwon wannan abun sosai wata rana kuma zai ji kunya kin bainin jama'a a cikin wannan gasan hulani su suka zo na biyu malama maryama tana ɗaya daga cikin wanda suka zo na biyu ta mana ƙarin bayani da take ji a ranta mu ne wanda muka ci na biyu a gaskiya mun yi farin ciki sosai mun ji daɗi sosai kaf cikin al'adun na a ce mu ne muka hoto a na biyu mun ji daɗi sosai wallahi ina kira ga kowane al'ada da su riƙe al'adun su hannu biyu don duk wanda ya bar al'adar shi za ta kubce mishi kenan kowa ya riƙe al'adar shi hannu biyu don ci gaban al'umma na uku su ne tubawa mala ahmed mamman na ya ji hankali saboda a riƙe al'adu na gargajiya kamar yanzu sauran al'adu za mu iya musu kira da su kama jiki kasan ita al'ada wannan tushe ne tun daga tarihi ne kuwa kenan mutane ya kamata su kama al'adu sosai don saboda suna da muhimmanci domin kowane kabila al'adunku su ne suke gamsar da kanku kuwa su ne suke nuna cewa ku mutane ne kuma kenan kar a saki al'adu gaskiya idan aka saki al'adu akwai matsaloli da suke biyowa baya wanda ba su da kyau an tashi dai cikin farin ciki da annashuwa kowa na murna musamman ma hukumomi wanda aka musu bazata ta hanyar nuna wannan gasa ta al'adun gargajiya Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Après ce reportage en région, passons au sport. Euh, du sport et aujourd'hui c'est avec euh, Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour Samira, bonjour euh, Rukeya. Alors, le Niger a participé au championnat du monde de judo 2023. La 40e édition a eu lieu du 7 au 14 mai 2023 à Doha au Qatar. Oui, 15 titres ont été mis en jeu lors des championnats du monde de judo avec la participation de 650 ou bien disons même plus de 650 judokas venus de 99 pays dont le Niger. Le Niger euh, était représenté par un judoka en la personne d'Ismaël Alassane dans la catégorie de 66 kilos. Malheureusement, il n'a pas pu dépasser le premier tour, explique Adrahamani Youssouf, le vice-président de la Fédération nigérienne de judo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être parmi les 100 meilleurs de la catégorie au niveau mondial pour y participer. Donc, euh, il a passé donc euh, ce premier cap, il s'est qualifié pour être à Doha. Et malheureusement, euh, à Doha, il était quand même 62 euh, dans la catégorie. Et est tombé sur un Italien dès le premier tour. Hein, il a été éliminé au premier tour. Il va continuer euh, les compétitions. Nous l'avons inscrit euh, dans d'autres compétitions. Il sera en Australie la semaine prochaine. Il va défendre les couleurs nationales. Puis il viendra euh, à l'Open d'Abidjan, puis à Niamey à l'Open de Niamey, qui sont également des compétitions qualificatives pour les JO. Mais au-delà de Ousmane Alassane, nous espérons quand même un deuxième judoka pour augmenter nos chances de médaille euh, dans ces Effectivement, les championnats du monde du judo étaient un rendez-vous très important sur la route des Jeux olympiques de Paris 2024. Et notre ambassadeur Ismaël, donc il est boursier de la Fédération nationale de judo, malgré sa défaite, va continuer à se préparer pour représenter le Niger au JO de Paris 2024. Donc nous pouvons dire bonne chance à notre ambassadeur Ismaël. Bonne chance à lui et merci Soumana pour euh, ce sport. Passons à présent au portrait. Le portrait nous conduit à Kouré dans le département de Kolo à quelques 60 euh, km de Niamey. Là, notre reporter Omo a rencontré un jeune vendeur de thé. Il s'agit de Soumana Yaou, un jeune collégien qui, à ses heures perdues, vend du thé aux passagers en transit dans leur localité. Et selon lui, cette activité le met à l'abri de certaines dérives. Kouré, il est

nore no tkumno ka go duara maye sele go shay wonera dinda tedin kanda duana ido wala kanga zum mota ya wala kanga zum mota sele shay wonera dalo wai dimans ka dimans dawo ko fu bo min leson sambo de ko lendi wat ke go subo ko na noro kene kene ko a shibo fu ngora shibo fu dawo ko fu bo min leson sambo tiyan fono gonise ni kele furte jeydu to wala kan siba ne kal zai tarai da dati yowi kala barki gini wa ka bakan isini mawo. i ifo to to ifo to gomni kan godu shayin wo nere wo dirka asigin sa kulla asigin sa kulla no de ne dai kai ngiru zangin zangin zan dai fo zaro da margino ne zangin za zari kulu awo di zumbu e kulla erfo kilo digan sintin shayo mm wa ke kol gono shika kin don site te ngo boku mane dalen leno ai leno mai bon sedori dori ai go gati endo do zari kulu marge kilno ni wi ni duga shayo te ga nera ai ga zinza da do guri ba noronya de no ga ai ba Après ce portrait, chers auditeurs, euh, pour notre toute dernière ballade en musique, je vous propose d'écouter euh, Philo La Diva avec son titre Niger. Ohé, ohé, ohé, si t'es Nigerais, que t'es fier de Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé, grâce à Alvaro Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé Nigerien, tu es waka Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé Une belle terre avec un joli désert Je suis fier de toi mon Niger Toi qui ne ressembles à aucune autre terre Sous d'égalité d'intégrité rien, nous devons travailler, nous sacrifier pour construire ce beau pays. Je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. Si le Niger est une belle casie, ohé, ohé, ohé, ohé, oh Si t'es Nigérien est que t'es oh ohé, ohé, ohé, ohé, ohé. nchi kenikenawaka kedabakidaka madijer takonchalankali mbabuinadaba jesulanti sile nijaretinbalekadi ohe ohe ohe ohe de Philola la Diva. J'espère que ça a aussi réveillé votre patriotisme. Et c'est l'heure euh, du loti du jour. Aujourd'hui, la chronique loti nous parle de l'importance des petits commerces par les femmes et son impact sur l'économie des ménages. Hey barka da sahiya ya kike lahiya lau wallahi ina godiya ma Allah ke fa ya ne wajen ki a alhamdulillah yaya aiki lahiya lau wallahi ina fatan kuma haka ne ta bangaren ku a alhamdulillah sai dai ha hmm, ni wannan sallar duka kaf kudin da kika san ina da na ajiya da albashi gaba ɗaya sun tafi. Duk ajiya ki da wani albashi? Komi ne bani da gabaki ɗaya na kashe. Hatta yan kuɗaɗen da nake sa cikin asusu dukka na ɓalgwace na kashe gaba ɗaya. Tsaya Fadima, ban gane ba, kwatanta mini. Ha baki kuma, ina baki kina roƙo. Yadda kika ji hakan ne. kenan in na gane ke albashin ki kadai ne madogara ke bancin wannan baki da wata hanya da ke iya miki kuɗi babu wata hanya da ke shigar miki da kuɗi shi kadai ne abin da nake dogaro da shi wannan albashin da shi ne nake yin komai da komai a yanzu ne na gane abin da yasa kayan wata ya mutu ke riga shi mutuwa mana hm, ke dai bare wannan albashin da shi nake komai shi kadai ne kuɗaɗen da ke shigo mini ke ne yanzu ke banda ma albashin da ke ɗauka kina da wasu hanyoyin samun kuɗi eh mana kin manta da ina da wani dan karamin kasuwanci na da nake yi baki san da ba lokacin da ake tsaya a jere kawai albashi ya huce wannan a da ne ba yanzu ba haba kiki ke zancen kasuwanci ko kuma in ce sana'a wannan ai sai ku yoni dan albashin da nake samu alhamdulillah ina ma ya ishe ni in kashe wutar gabana har in yi wani tunanin cewa zan yi wani kasuwanci a ciki haba ke kowa ya ce miki da wasu kuɗaɗe masu yawa ne ake hwaga wani dan dan abun nan shikenan ina sauraron ki kwatanta mini bani in sha yanzu cikin wannan lokaci da muke kawai kuɗi ɗan kaɗan ne ya kamata ki samu hakan ga sai ki sa ki ci wata ƙaramar sana'a. Aha. Shi yasa ko da yaushe sai in ga wannan matar na wajen aikinmu su wannan ta sai da wannan wannan ta sai da wancan in wata ya mutu wani bi albashin nan nasu ko tunawa ma da shi ba su don da isan a ci suke biyan bukatunsu. Eh mana yanzu mata suna nan ga sa kansu cikin kasuwanci kuma da fasahohi da dabaru masu kyau gaskiya na gode sosai kawale in allah yarda wannan shawarar taki zan yi aiki da ita ke tun yanzu ma za a suma bari ki ganin ɗauko takarda da biro in soma lissahi da ma zan fara gishiri <laughs> miya kuka inda kulkula aikun siya ko <laughs> mun saye kake <laughs> damu ha ke ko ba komai kuma ke gan wannan zai sa kayan wata ya mutu kina samun wani abu mm, gaskiya wallahi na gode kwarai wannan shawarar taki ta yi bai komi kin ga zuwa na ina da aiki to shi kenan ni kuma insha Allah kin ga daga wannan lokacin zan yi kokari ko ma menene zan kukullawa in dai abin da nake so da ku dai idan kun ga na kulla a siya na kara min kwarin gwiwa insha Allah eh, ba matsala a dai kawo shi a ofis. kada ko in kullo dan gishi na da wani dan tashi na Chers auditeurs, euh, dans ce studio, nous sommes avec Maman Ada, journaliste et traducteur en Hausa au studio Kalangu. Aujourd'hui, nous parlons de méfiance en français et en Hausa. Bonjour euh, Samira. Selon le site euh, électronique Wikipédia, euh, la méfiance est une expression ou un comportement formel de non-confiance envers d'autres, un individu pour une raison. Donc c'est l'état de celui qui se méfie, qui ne fait pas confiance aux autres, être soupçonné. Mais celle-ci s'applique pas seulement une situation sérieuse ou une mauvaise foi généralement, la méfiance se développe dans un but de défense ou de recherche de sécurité. Mais en Hausa, eh, ana cewa abu ko ka nuna kan wasu abubuwa je mhm. abin da zamu wannan ta yarda da ake méfiance. To, mun merci beaucoup, Maman Ada. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions que vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Mira, c'est le moment pour nous d'écouter nos auditeurs. Oui, Rocky, car dans cette émission, nous leur donnons bien évidemment la possibilité de nous faire euh, leur point de vue sur nos productions, mais aussi euh, de passer leur euh, petite salutation à l'endroit de leurs frères et sœurs amis qui les écoutent sur nos 52 radios partenaires. Suwaiba Studio Kalangu. Muna sauraron labaruka wanda muka sani da wanda bamu sani ba. Labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci. Su ƙara dai ƙarfin gwiwa akan aikin da suke yi. suna na rikaye abdulkadir wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai hakan dai so nake su dan kara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na maraice ya kamata a ce a yi kan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa a fara shi tun da sai ni ne rabi'u buzuzu garin take goma sabuwa E labaran studio kalangu muna shauraren shi yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a cikin mu wanda bamu san da su ba amma ta hanyar wannan labaru muna jin labaru yadda ya kamata kenan abin da bamu san da shi ba ta hanyar radio kalangu insha Allah inda Allah ya garanta muna shauraren shi cancan karfi wallahi to yanzu abin da nake so su dan kara kamar daga lokaci bi saboda muna samun abubuwa da yawa ta radio studio kalangu fi sabilillah akwai abubuwan da ba mu san da su ba amma ta wannan labaru nasu to gaskiya muna jin daɗi cin cin karfi wallahi abin da ke cikin ƙasa ku komi da komi kuna shirare kai na ƙasar duniya ma duka gaba ɗaya kuna shirare kawai eh kaji abin da zan ce ma malam Sa'idu Amina Haruna wallahi ina sauraron shi gaskiya suna da ƙayatarwa domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tun da gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci assalamu alaikum ni ce sunana na simisin kore eh gaskiya ne sa'idu labaran nan na studio kanangu wallahi suna kayatar da mu mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har rediyon nan ta mu ta samu nan karin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan cikin ƙasa kana saurare to ai shine komi kuma muna fatan Allah ƙara musu hazaƙa yanzu abin da nake so su ƙara ni inda Allah Ubangiji shi ke yin komi shi ne ke yi fatan da nake musu Ubangiji Allah ƙara musu hazaƙa ƙara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rediyoyi ma da ke can kawai su ƙara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zama na daidai wallahi muna koya musu ba muna ta godiya ku da tare da su ma Allah rufa asiri malama badariya ibrahim ina sauraron radio studio kalangu yana kayatar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakana cikin ƙasa gabaki daya kuma yana wannan labarun da suke bada suna kayatar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka yi suna gyara al'amuran su Chers auditeurs, euh, c'est le moment pour nous de faire un tout dernier tour en musique avec le son Bayomata de Salam. bashin bashi gwane zan bai ba ka raga kuma sha san zaba tun da kai na ba raga ma salisu wane na raga kuma san ba ka raga kuma sha san zaba sai wani salisu kai ma ban bari dan na gane ba wa kake domin dala in ka riga na yi masa haka ba ashe ba wa ma C'était là le titre euh, Bayou Bayumata de Abdus Salam. Chers auditeurs, Studio Kalango, c'est surtout la grande édition de 17h à 5 langues sur les ondes de nos 52 radios partenaires. Et justement, Rocky, c'est toi que nous allons retrouver ce soir pour la grande édition. Quels sont les titres Effectivement, Mira, dans le journal de 17h, il sera question de l'ouverture ce matin à Niamey de la conférence sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. Elle est organisée par l'État du Niger et ECAP Sahel. Il sera aussi Question dans l'édition de la situation des migrants refoulés d'Algérie qui sont moins de 1500 à Assamaka. Le préfet d'Arlit nous parlera de la situation sécuritaire dans le département en partie magazine de l'édition du soir. Merci beaucoup Ruki et chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalango. Vous étiez en compagnie de Rukaïta Abdraman et de moi-même Samira Rafi. Rendez-vous est pris demain avec Mariam Adé et Ravia Mekono pour un nouveau numéro.